le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du 18h passées de 15 minutes à Nyame, vous êtes à l'écoute des programmes de Studio Kalangu relayés dans tout le pays à travers nos 34 partenaires. Le forum de Studio Kalangu est un espace d'échange avec des invités sur différentes thématiques d'intérêt général et ce, dans le respect mutuel. Le thème dont il sera question ce soir est celui du mariage des enfants, conséquences sur la santé des adolescentes et de leurs enfants à naître. Selon les chiffres de 2012 de l'enquête démographique et de santé du Niger, une fille sur quatre est mariée avant l'âge de 15 ans, deux sur trois avant l'âge de 18 ans. Ces unions ont des conséquences négatives sur la santé des jeunes mères et de leurs enfants nouveau-nés. En effet, on enregistre 44 décès pour 1000 naissances vivantes chez les mères de moins de 20 ans contre 30 pour 1000 dans les autres tranches d'âge. Quant à la mortalité des mères elles-mêmes, retenons que 34% des décès des filles de 15 à 19 ans, c'est-à-dire plus du tiers, sont dus à un problème survenu lors de l'accouchement. Ces données toujours issues de l'enquête démographique et de santé 2012 ne sont pas connues de la plupart des Nigériens. Pour débattre du sujet, je suis dans ce studio avec euh, Madame Halidou Fadima, membre de l'Association des sages-femmes du Niger. Euh, bonsoir. Bonsoir. Docteur euh, Aïssa Soumana, spécialiste en nutrition au Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Bonsoir. Et docteur Diallo Zara Oumarou, spécialiste en santé néonatale à la maternité Isaac Gazoubi de Niamey. Bonsoir. Bonsoir. Et à la présentation, Raylat Soumana. Mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé, nous allons échanger sur les conséquences du mariage sur la santé de la jeune fille et de l'enfant à naître avec les spécialistes. Je vais commencer par vous, euh, Madame Halidou Fadima. Donc, euh, dites-nous à partir de quel âge le corps de la jeune fille peut supporter le mariage et surtout la grossesse. Euh, en tout cas, l'âge est défini que la, la jeune fille, jusqu'à 18 ans, L'organisme de la fille est préparé maintenant pour recevoir une grossesse et arriver à terme sans difficulté. Avant cette date, on sait qu'il y a des problèmes, il y a des complications obstétricales qui pourront survenir. Quels sont les dangers auxquels euh, elles sont exposées dans leur santé sexuelle et reproductive au cours du mariage Pour les mariages précoces, euh, la jeune fille peut courir beaucoup de dangers avant même de contacter la grossesse, elle peut subir beaucoup de maladies. Ces problèmes peuvent commencer par d'abord des avortements parce que l'utérus n'est pas préparé pour recevoir et garder ce fœtus. Donc elle peut passer par des avortements, par des accouchements prématurés et une fois que la grossesse est atteinte à terme aussi, le travail peut être difficile et si on dit travail difficile, ça peut se compliquer par un accouchement dystocique aussi. Euh, c'est-à-dire elle peut être en travail, le long travail peut entraîner euh, des complications fâcheuses sur l'enfant et la mère. Donc sur la mère maintenant, elle peut euh, terminer par des césariennes, terminer par une fistule obstétricale. Sur mhm. tout Surtout ça, parce que c'est le retard Hein, de fréquenter les formations sanitaires s'il s'agit d'une jeune fille qui est qui s'est mariée très tôt et qui se trouve en zone rurale. Elle rentre en travail, on sait qu'il y a un premier retard mhm. dans la communauté. Elle ne l'amène pas très tôt. Et le deuxième retard, c'est l'accessibilité d'un centre de santé. Et le troisième niveau, c'est la référence. Vous voyez, toutes ces choses peuvent engendrer le bon développement, l'accouchement toxique. Donc, euh, c'est surtout les problèmes de fistule que les gens rencontrent le plus souvent chez ces jeunes filles. Mais avant d'avoir euh, la grossesse, quelles pourraient être euh, les conséquences sur l'organisme de la jeune fille qui pratique des rapports sexuels alors que son corps n'est pas encore prêt pour ça Il y a beaucoup de traumatismes. Il y a les traumatismes sexuels. Nous, on rencontre les sages-femmes parce que la jeune fille qui n'a pas un vagin vraiment euh, large, elle commence à avoir des rapports. Dès, dès ce premier moment, elle peut avoir des déchirures périnéales, elle peut avoir des traumatismes sexuels qui peuvent être vraiment fatales pour sa santé. Est-ce que ces déchirures-là, euh, on peut remédier à ça il y a toujours des remèdes. C'est le milieu santé, ce sont les agents de santé qui peuvent remédier à ça, mhm. au cas où cette fille n'est pas venue dans une formation sanitaire. Comment ça va se compliquer Elle va prendre des, des infections aussi qui peuvent euh, être des causes mortelles. Merci Hajia Fadima. Je me retourne vers vous, docteur euh, Aïssa. Vous êtes euh, nutritionniste. Lorsqu'une fille qui n'a pas atteint la maturité physique tombe enceinte, euh, comment son organisme parvient-il à concilier sa croissance et celle de son foetus En effet, une adolescence n'a pas encore fini sa croissance, donc elle a besoin de beaucoup de nutriments pour sa croissance, pour elle-même. Dans ce cas-là, quand elle tombe enceinte, elle va rentrer en conflit avec son bébé sur les nutriments. Et son organisme va la privilégier, elle, au détriment de l'enfant. Donc, ce qui fait que quand une adolescente tombe enceinte, il y a beaucoup de risques sur le plan nutritionnel et pour elle et pour son enfant. Surtout qu'on sait que déjà dans notre pays, il y a beaucoup d'adolescentes qui ne sont pas, leurs statuts nutritionnels ne sont pas bons. Il y a beaucoup d'adolescentes qui sont déjà sous-nutries. Mhm. Elles sont sous-nutries et dans ce cas-là, si une adolescente sous-nutrie déjà, elle tombe enceinte, ça veut dire qu'il y a des problèmes pour elle et pour son enfant. Donc, ils rentrent en compétition les nutriments. Donc, dans ce cas-là, elle va accoucher d'un enfant qui, sera, qui aura déjà un retard intra-utérin. En croissance, euh, vous voulez dire, ou bien comment expliquer un peu Donc, ça veut dire que quand l'enfant va, naître, ça veut dire que l'enfant aussi ne, ne va pas avoir son plein potentiel. Il va naître déjà avec un petit poids de naissance mhm. parce que dans l'utérus, il a déjà un retard, il n'a pas reçu les nutriments qu'il faut. Donc, ce qui fait que cet enfant-là qui est déjà né avec un retard de croissance, il faut aussi une bonne alimentation pour pouvoir assurer sa croissance. Mhm. Et si cet enfant-là aussi, tout au long de sa vie, ne reçoit pas une bonne alimentation, ça veut dire que lui aussi, il va devenir, il sera un enfant malnutri, mhm. qui va plus tard, si aucune action n'est prise, devenir aussi une adolescente. Si c'est une fille qui va devenir une adolescente qui sera sous-nutrie. Mhm. Et cette adolescente sous-nutrie, si rien ne fait, quand elle va prendre une grossesse, elle va aussi encore donner un, enfant sous nutri. Donc, on aura vraiment un cycle intergénérationnel, de génération en génération, mhm. et ça va se répercuter sur ces enfants. Merci, docteur, euh, Zara. Vous, vous êtes euh, spécialiste euh, en santé néonatale. Dans ces conditions que docteur Aïssa vient d'indiquer, euh, dans ces conditions d'immaturité, comment se développe euh, le fœtus, euh, les problèmes qu'il peut rencontrer, non seulement au sein de sa mère et aussi à la naissance. Voilà, donc déjà dans l'utérus, elles l'ont dit, hein, c'est un utérus qui est immature. Mhm. Le développement du fœtus ne va pas se faire bien si ça ne se termine pas par un avortement. Mhm. Au cas où la grossesse continue, L'utérus étant immature, cette jeune femme peut accoucher d'un nouveau-né prématuré. Il peut sortir avant le terme. C'est un gros problème parce que qui dit prématuré dit augmentation de la mortalité et de la morbidité. On sait que le prématuré, c'est un bébé qui est immature sur tous les plans. Donc même au niveau de la digestion, l'alimentation, il ne va pas assimiler au niveau cérébral. Ensuite, deuxième problème, c'est le petit poids de naissance cette femme, le bébé n'a pas eu une croissance normale dans le ventre de la mère, il va sortir avec un petit poids de naissance. Mhm. Donc, ce qui dit petit poids également dit immaturité des organes. Mhm. Donc, voilà. Ce qui, quand cette femme aussi va accoucher, elle-même, c'est un enfant. Elle n'a pas fini de jouer à la poupée. Mhm. Vous allez voir, c'est une femme qui ne sait même pas tenir le bébé. Elle ne sait pas comment l'alimenter. C'est un gros problème. Elle ne sait pas que le bébé doit être mis au sein toutes les trois ou deux heures de temps. Elle va le laisser dans le coin, elle, elle va dormir, elle ne sait pas. Et la conséquence, un nouveau-né, il va sombrer dans la malnutrition. Et qui dit malnutrition du nouveau-né dit décès. Mhm. Donc voilà un peu problème. Quand l'enfant est né prématurément, comment le maintenir en vie Est-ce que c'est difficile Vous avez ici à la maternité un lieu spécial euh, pour les maintenir dans les conditions comme dans le ventre Vous savez, la prématurité a des degrés. Il y a la très grande prématurité, il y a la grande prématurité en fonction des âges de la grossesse. Chez ces enfants-là qui, qui, se marient tôt, qui accouchent, elles font de très très petits bébés prématurés de 800 grammes. On les voit. Elles sont là à la maternité, on les voit. Elles font des bébés de 800 grammes vous-même voyez un bébé entre un bébé de 800 grammes et un bébé de 2000 grammes, qui peut survivre La mortalité est plus élevée chez qui le 800 grammes. Et ces enfants-là font des bébés de 800 grammes. On n'a pas les moyens de prendre en charge un bébé de 800 grammes. C'est grammes, ça correspond à combien de semaines, combien de mois de grossesse À peu près 6 mois et demi de grossesse. 6 mhm. mois et demi, voire en tout cas moins de 7 mois. Donc ces enfants-là, c'est très difficile parce qu'ils sont immatures sur tous les plans. Ils n'ont pas fini la croissance dans le ventre de la mère où c'est leur milieu idéal. Mhm pour grandir. Maintenant, ils sortent, c'est un problème digestif et l'allaitement n'est pas effectif. Cette femme ne sait même pas comment allaiter un bébé. Il y a le développement du cerveau. Vous allez voir, les cerveaux de ces bébés prématurés sont tellement fragiles que même le simple froid peut les traumatiser. Et à la longue, à long terme, c'est des bébés qui vont devenir des débiles mentaux. On les voit dans la ville qui ne marchent pas bien, qui sont allongés jusqu'à l'âge de 10 ans, ou bien c'est des bébés qui font la salive qui sort de leur bouche. Tout ça, c'est le défaut de développement dans le ventre de leur mère. D'accord. Hajia Fadima, je m'adresse à vous parmi les complications auxquelles sont exposées les adolescentes en situation de grossesse, lesquelles sont les plus fréquentes que vous avez eu à rencontrer Les plus fréquentes, euh, ce sont celles dont on a parlé tout à l'heure on a les avortements, les accouchements prématurés, comme vient de dire, euh, et la fistule obstétricale. Parlez-nous plus de la fistule obstétricale. Qu'est-ce que ça veut dire euh? La fistule obstétricale, c'est une complication que subit la mère au cours du travail, donc un long travail. Au cours d'un long travail, le bébé ne descend pas. Le soleil ne doit pas se lever deux fois sur une femme en travail. Donc là, pendant tout ce temps que la femme est en train de souffrir avec les contractions mhm. et l'enfant, il y a obstacle, le bassin n'est pas mature, donc il y a nécrose. La nécrose, c'est au niveau de cette nécrose, la tête qui vient, qui bute, qui veut sortir et il n'y a pas de place, la voie est empêchée. C'est ça qui va créer un trou aussi expliquer aux auditeurs un peu la nécrose, que ça veut dire La nécrose, euh, c'est la destruction des cellules au maternel, au niveau du bassin, au niveau de l'utérus, euh, le col, tout ça. Et la nécrose au niveau du périnée va entraîner un trou. Et c'est ce trou-là qui communique les deux organes, les urines parfois ou le rectum. Mm-hmm. Donc il y a fistule vésico-vaginale ou fistule recto vaginal Il y a parfois les deux, vésico-recto-vaginale. En même temps. En même temps. Comment ça se manifeste sur la femme Sur la femme, elle perd les urines. Elle perd le contrôle des urines. Là, c'est le vésico-vaginal. Maintenant, les selles aussi. Une fois qu'il y a communication au niveau du rectum, les selles vont venir à tout moment. Donc, il n'y a, a, pas de contrôle. Et c'est un fléau. Ah, c'est très, très, très dangereux et c'est très alarmant. Mm. Donc, c'est surtout cette complication qui, qui nous tient à cœur. Il y en a plein ici au Niger, il y en a plein. Il y a un centre même qui s'occupe de, cette euh, maladie. D'accord. Euh, docteur euh, Aïssa, vous êtes nutritionniste. On dit que le risque que le nourrisson meure dans sa première année de vie est de 60% supérieur à celui d'un nourrisson né d'une mère ayant plus de 19 ans. Pourquoi ces bébés ont moins de chances euh, que ceux des mères euh, qui ont plus de 18 ans En fait, comme on l'a dit, hein, déjà ces, adolescentes adolescents donnent naissance à des enfants, soit qui sont des prématurés mm. ou bien des enfants de petit poids de naissance. Mm. Dans ce cas, l'enfant a besoin de beaucoup plus de soins. Nous savons, nous connaissons tous l'importance de l'allaitement maternel dans ce cas-là, l'importance d'allaiter l'enfant dans, la, dans la première heure qui suit la naissance, l'importance de l'allaitement maternel exclusif. Mais dans ce cas-là, ces enfants, ils sont jeunes. Elles sont jeunes, elles ne savent pas comment s'occuper d'un bébé, comment allaiter cet enfant-là. Elles ne savent pas comment le faire. Et nous savons tous que dans notre société, c'est les mamans, c'est les maris, c'est les belles-mères qui décident. Cette femme-là, elle est très jeune, donc elle n'a aucun pouvoir de décision sur l'alimentation de l'enfant. Même si elle reçoit les conseils des sages-femmes ou bien au niveau de la structure de santé, mhm. quand elles viennent à la maison, c'est pas elle qui prend la décision. Au Niger, on sait que c'est 21% seulement des femmes qui participent aux décisions qui sont prises au, sein du ménage par rapport à l'alimentation. Et chez les adolescents, c'est moins de 14%. Mhm. Donc, elles n'ont pas de, de, pouvoir de décision. Donc, même si elles accouchent, elles ne peuvent pas décider de comment est-ce qu'elles doivent alimenter les enfants. Donc ça, c'est un des problèmes qui fait que leurs enfants vont mourir parce que déjà l'enfant est faible à la naissance, son immunité n'est pas, n'est pas bien formée et aussi elle n'a pas de pouvoir de décision. Et parfois, donc elle ne peut pas décider d'allaiter exclusivement son enfant. Et puis le deuxième point, ce qu'on sait, les, les évidences scientifiques ont montré le lien entre l'éducation de la mère et aussi la malnutrition de l'enfant. Ces enfants-là qui peut-être elles sont adolescentes, quand elles se marient, la majorité abandonne l'école. Mhm. Donc, elles ne sont pas instruites. D'autres n'ont même pas été à l'école parce qu'elles se sont mariées beaucoup plus tôt. Et ce qui fait que ces enfants, ces adolescentes-là, qui elles se sont mariées tôt, mhm. elles ne vont pas à l'école. Leurs enfants ont beaucoup plus de risques de faire des malnutritions. Donc, qu'en est-il pour la croissance ultérieure euh, de ces d'enfants issus des mères qui ont moins de 18 ans Est-ce qu'ils croient normalement, on les différencie des autres euh, enfants ou comment ça se passe si des mesures sont prises, ils peuvent croître, normalement rattraper le retard qu'ils ont eu. Par exemple, si on conduit un bon allaitement maternel et après, à partir de six mois, ils ont une bonne alimentation de complément, il y a toujours des chances de rattraper ce retard si les dispositions sont prises. Bien sûr. Mais si les dispositions ne sont pas prises et que l'enfant n'est pas bien allaité et, que parfois on, donne de l'eau, on, donne des décoctions, après, on, donne peut-être du lait artificiel ou bien du lait de vache. Tout ça, ça va encore compliquer ces enfants-là parce que déjà leur immunité est faible, ils n'ont pas été bien et on, nous savons que l'allaitement maternel permet de protéger l'enfant parce qu'il contient des immunoglobulines, parce que le lait maternel contient aussi tous les nutriments dont l'enfant a besoin pour sa croissance. Donc l'enfant devrait être allaité jusqu'à l'âge de 2 ans au plus si la mère peut. L'allaitement maternel exclut jusqu'à six mois. À partir de six mois, introduire une alimentation de complément de qualité et diversifiée. Ça veut dire qu'on doit donner les différents types d'aliments à l'enfant tout en continuant l'allaitement maternel. Et ça jusqu'à deux ans ou plus. Ça, ça va être compliqué. Bon, <laughs> hormis la malnutrition et les déchets, un autre traumatisme est à redouter pour la jeune fille, la fistule obstétricale dont on a parlé. À ce propos, je vous propose de suivre Madame Traoré Salamatou, présidente de l'ONG DIMOL, qui prend en charge les femmes victimes de la fistule. vous avez une tranche d'âge à nous donner des femmes de la Ce sont des femmes de le premier Et Le premier accouchement se situe entre 12 jusqu'à 19 ans. Le deuxième groupe, ce sont les femmes qui ont plus de 5 ans. Ça situe les femmes entre 30 jusqu'à 35 ans. Et rarement les femmes qui ont au-delà de 40 ans. Parce que ici, ce qu'on constate, et d'ailleurs, il s'avère regrettable, ce sont des femmes qui ont des grossesses multiples et rapprochées. Donc, déjà à 30 ans, il y en a qui ont plus de 6 accouchements. Parmi ces 30 d'âge que vous venez de citer, euh, laquelle est la plus dominante euh, C'est lors du premier accouchement. Lors du premier accouchement, parce que la majorité de ces filles ont moins de 16 ans. Bon, il y a certaines qui ont jusqu'à 19 ans et elles ont connu la maladie avant de venir Certaines ne savent pas qu'elles peuvent guérir. Elles ne savent pas qu'il y a des centres d'accueil. Nous avons au niveau de la région de la Berry le département de Sierra, où on a mis en place des kits de sensibilisation et ces sites permettent de mener des activités de causerie, débat avec les jeunes. Ils relèvent tous les problèmes de mais comment il faut amener les jeunes à prendre des décisions pour éviter ces problèmes. Et ça permet aux populations d'être informées, de savoir qu'il y a des problèmes, mais il y a des solutions. Donc, pour la fissure, vraiment, c'est une porte d'entrée pour amener les jeunes à bannir la discrimination le mariage précoce. Et les parents participent à cette causerie débat. Ils écoutent et ils posent des questions. Et là, c'est important pour nous, parler de ces femmes qui sont dans le centres de femmes enregistrées, combien par trimestre. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire cette année comment on a répertorié ces femmes, mais il y a une moyenne de 5 à 35 femmes par trimestre. Et le taux de guérison pour celles qui ont une fistule simple, va jusqu'à 68%. C'est-à-dire les femmes qui ont eu un travail pas long, 24 heures ou 48 heures, donc ça veut dire que c'est la fistule vésicale. Mais nous avons des cas très compliqués où ça nécessite plusieurs interventions chirurgicales. Ça demande aussi une contribution active de la femme. Il faut qu'elle soit psychologiquement disposée à guérir. Parce que plus on lui parle, elle elle-même, elle participe à sa prise en charge médicale et elle suit les indications que le médecin donne, elle suit les conseils euh, de la sage-femme du centre. donc, vraiment, il y a beaucoup dans les situations familiales. Si euh, elle est complètement de cette euh, est-ce que la personne peut à nouveau s'occuper d'elle-même ou il faut nous avons l'habitude d'attirer leur attention sur les risques qu'elles courent si toutefois elles ne se font pas pour les grossesses d'abord, parce que même guérie, elle doit collaborer avec les agents de santé communautaire. Elle doit se faire suivre et au septième, huitième mois, d'orienter dans un grand centre où la prise en charge peut se faire rapidement, c'est-à-dire la prise en charge chirurgicale à partir du moment où cette femme est devenue continente, c'est-à-dire elle est devenue sèche, elle ne doit jamais faire son travail en dehors d'une formation formelle. Seul un spécialiste peut lui permettre d'appuyer par la bas. Mais sinon, la majeure partie de ces patients là c'est la césarienne prophylactique. C'est le médecin la sage-femme qui identifie et évalue lors de la consultation prénatale la nécessité de faire la césarienne. Il y a quelques rares cas qui ont échappé à la césarienne, mais c'est dans les formations sanitaires. C'est suite à un bon suivi médical. Voilà, vous venez d'écouter Madame euh, Traoré Salamatou, qui était sage-femme de formation. Donc, euh, Madame Fadima, vous aussi, vous êtes sage-femme. Euh, quelle est, est, votre réaction euh, à ces propos C'est tout à fait ce que on attend, parce que je connais que Mme Traoré est responsable de Dimon et je connais qu'elle est en train de se battre pour les fistuleuses. Et vraiment, je ne fais que l'encourager. Et on a les mêmes ordres d'idées. Et c'est tout à fait ce qu'elle vient de tracer, et tout à fait la vérité. Avez-vous une idée du taux de guérison de ces jeunes filles, de ces femmes euh, ayant subi euh, la fistule obstétricale le taux de guérison, là, il faut s'adresser aux, instituts où les interventions sont faites. Là, vraiment, je ne peux pas, je me réserve pour le taux. Docteur Zara, vous êtes spécialiste en santé néonatale. Quelle est votre réaction au propos de Madame Traoré Voilà, donc euh, ce qu'elle a dit, c'est ce que les femmes fistuleuses vivent. Hein. Euh, le problème, c'est qu'il faut savoir que c'est pas des fois avec une seule intervention, on n'arrive pas à régler le problème. Hein. C'est des femmes qui subissent plusieurs, 5 à 6 interventions. Je parle vraiment sous le couvert de la sage-femme parce que je sais ce qui se passe. La, conséquence sur euh, l'enfant, on l'a dit, c'est soit le décès, soit la prématurité. Mais il arrive des femmes qui accouchent, qui ont bénéficié d'une intervention liée à la fistule, et si elles sont bien suivies, c'est une césarienne prophylactique pour les sauver et sauver leur bébé également. Césarienne prophylactique, c'est-à-dire avant le travail. Ces femmes ne doivent pas entrer en travail pour accoucher. Dès qu'on identifie le terme, on sait qu'une femme, normalement, elle accouche à 37 semaines. Donc avec le suivi, on peut identifier les risques de début de travail. Et la femme également, on la prévient. On lui dit, voilà, vous avez bénéficié d'une intervention pour la fistule, vous ne devrez pas vous mettre en travail d'accouchement. Donc une fois qu'elle arrive presque à terme, elle est suivie, on décide de tel jour on doit lui faire la césarienne pour la préserver d'une récidive de la fistule et préserver également son bébé. Et qu'en est-il pour la jeune fille qui n'a pas atteint l'âge Est-ce qu'elle aussi, elle peut bénéficier de cette euh, césarienne, césarienne prophylactique, voilà. Cette jeune fille si le fœtus se développe normalement, on peut attendre. Mhm. Ça veut dire que cette femme est suivie par une équipe pluridisciplinaire. Il y a la sage-femme, il y a la gynécologue, il y a le pédiatre néonatologiste. On donne des renseignements, on discute entre nous. Mhm. Est-ce que cette femme doit accoucher le pédiatre est là, elle est à 7 mois de grossesse. Si la vie du fœtus est en péril, le pédiatre dit faites la césarienne, il faut sauver la vie de la mère et la vie de ce bébé. Maintenant, nous, le prématuré, on sait que c'est un prématuré parce qu'une prématurité qu'on décide, on sait comment la prendre en charge. Mhm. Mais plutôt qu'une prématurité spontanée qui vient, qui nous tombe comme ça sur la main. Donc, cette femme, on l'a préparée, toute l'équipe sait qu'elle va accoucher d'un prématuré et on met les conditions. Maintenant, cet accouchement-là, comme je vous l'ai dit, la prématurité, il y a un pronostic en fonction de l'âge gestationnel. Nous, on ne veut pas faire un prématuré à 6 mois et demi. On ne veut pas. On préfère encore faire la prématurité à 7 mois, faire sortir l'enfant à 7 mois que à 6 mois et demi. Donc, si on voit que le risque imminent est là d'accouchement prématuré très tôt, on peut hospitaliser la femme on la suit, les gynécologues, les sages-femmes la jusqu'à ce qu'on gagne des semaines mhm. par rapport au bébé. Une fois qu'on gagne, si la femme est à 7 mois, si elle arrive à 7 mois et demi, nous, c'est bon pour nous. C'est bon pour le bébé également. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter J'ai quelque chose à ajouter parce que ces gens de femmes, les sages-femmes les suivent, on fait des consultations prénatales recentrées. Et lors de la CPN recentrée, la sage-femme, c'est des suivis, au moins faire au moins quatre consultations prénatales pour cette femme-là. Et à 37 semaines, elle est orientée maintenant Déjà, il y a une prise en charge pour que le bébé ne souffre pas. Mhm. On fait une cure de célestine, pour, comme elle, le voit, pour éviter qu'à la naissance, l'enfant l'année avec des complications. Et maintenant, c'est à ce niveau qu'il faut explorer le bassin lors de la consultation prénatale pour voir si ce bassin est normal ou bien si c'est un bassin limite ou un bassin rétréci si on, il ne peut pas avoir de complications. Maintenant, si le bassin est anormal, c'est en ce moment qu'il faut prévoir une césarienne prophylactique. On réfère la femme dans un centre médicalisé où l'équipe est là pour faire la césarienne à 37-38 semaines. Mais ça, c'est quand elles ont accès au centre de soins. Oui, c'est ça, quand elles ont La accès. La difficulté, c'est les zones rurales, Qui n'ont pas accès. Mais à Dieu merci, dans les zones rurales maintenant, un peu partout, il suffit de sensibiliser la population pour aller consulter les, les, femmes ou bien les agents de santé qui doivent faire les consultations prénatales recentrées. Donc c'est surtout ça qu'il faut sensibiliser les populations d'aller fréquenter ces centres de santé. Mm-hmm. D'accord. Donc, euh, docteur Aïssa, vous êtes nutritionniste. Quand l'enfant arrive au monde, on sait qu'en milieu rural, euh, ils sont plus euh, décoctions, lait de chèvre et consorts. Est-ce que ce genre de lait-là qu'utilisaient nos grands-parents, est-ce que c'est vraiment bien pour le nouveau-né qui a le petit poids ou dont la mère est, est toute petite aussi Bon, c'est ces produits ne sont bien pour aucun enfant. Que l'enfant soit né d'une mère adolescente ou pas, que l'enfant soit prématuré ou pas, ce qui est bon pour l'enfant, c'est de lui donner le lait de sa mère. C'est lui donner le lait de sa mère au lieu de donner le lait de chèvre ou bien de donner le lait de... Parce que ça permet à l'enfant d'avoir un bon départ dans la vie. Ça lui permet sa croissance physique et aussi sa croissance psychomoteur parce que ça permet le bon développement du cerveau, le bon développement de tous ses organes. Maintenant, si tu mets de, si on, ajoute de l'eau, surtout parce que le gros problème du Niger, c'est beaucoup plus l'eau. 99% des enfants sont allaités, mais c'est l'allaitement exclusif qui n'est pas fait. Si vous ajoutez de l'eau pour un enfant dont l'estomac est très petit, et puis le lait maternel contient déjà 90% d'eau, ce qui fait que son estomac est rempli beaucoup plus d'eau que de nutriments. Ce qui fait qu'il ne croit pas bien. Concernant les décoctions et autres qu'on donne aux enfants, ce sont des produits. Mhm. On n'est pas contre la pharmacopée, mais ce sont des produits. Un enfant qui est bon pourtant, pourquoi lui donner des décoctions Déjà, ce n'est pas bon pour son alimentation, ça ne contribue en rien dans sa croissance. Et encore, ses organes sont immatures. Ses organes sont immatures, son rein, son foie, son instrument, tout est encore immature. Donc, on lui donne des aliments qui vont faire travailler ces organes-là, et alors qu'ils ne sont pas prêts pour ça. Donc, euh, ce qui fait que, que ce soit des adolescentes, que ce soit des mamans, la meilleure des choses pour un enfant, c'est de l'allaiter. Mais qu'en est-il euh, pour la mère qui n'a pas assez de lait pour donner à son enfant Comment réagir dans ces conditions En fait, la mère qui n'a pas de lait, il faut l'aider. L'allaitement maternel, c'est pour ça qu'on dit que l'allaitement maternel, c'est le travail de tout le monde. Mhm. Que ce soit la mère, les parents, tout le monde doit soutenir une mère qui allaite. Toute femme peut allaiter. Il y a des cas très rares où la femme ne peut pas allaiter. Même les femmes malnutries. La femme, même si elle est malnutrie, elle peut allaiter son enfant. C'est dans les cas de malnutrition extrême que la femme ne peut pas allaiter. Mais sinon, la femme peut allaiter son enfant. Ce qui fait que les femmes, parfois, elles se disent non, je n'ai pas de lait. Mais qu'est-ce qui favorise la production du lait La production du lait est simulée par la succion de l'enfant. Plus l'enfant tête, plus la mère produit du lait. Mais quand elle ne mange pas à sa faim, <laughs> comment ça va marcher C'est ce que je vous dis, les femmes malnutries produisent du lait. Parce que la, production du lait n'est pas soumise à l'alimentation. La mère doit manger quand elle est enceinte ou bien quand elle allait un repas supplémentaire pour sa propre santé, mais pas pour l'enfant. La production du lait maternel est due à la succion de l'enfant. Plus l'enfant tête le sein de sa mère, plus la mère produit du lait. Mais si on donne de l'eau, si on donne des décoctions, si on donne d'autres aliments, l'enfant, il a le ventre rempli, même si ça ne va pas rentrer dans sa croissance, il n'a plus envie de téter. Donc la mère ne va plus produire du lait. Mais l'idée reçue par les femmes, c'est qu'il faut boire de la bouillie, de la boule pour euh, avoir beaucoup de lait pour l'enfant. Oui, bien sûr, ça euh, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, des idées reçues. <laughs> Maintenant, on essaie de travailler sur ça. Les agents de santé le savent. Le ministère de la Santé a fait beaucoup de formations. Il y a des agents communautaires qui sont dans les communautés qui conseillent les femmes sur comment était. Quand la femme fait ses consultations prénatales, quand elle vient au niveau du centre de santé, on lui parle, on la conseille sur son alimentation, mais aussi sur comment était. On lui explique tous ces aspects-là. Mm-hmm. Mais bon, comment on sait que c'est une idée reçue qui est ancrée dans nos mœurs. On essaie quand même de, conseiller les femmes pour changer ça à travers les agents de santé, à travers les relais communautaires qui sont dans la communauté. Les femmes reçoivent ces informations que pour avoir du lait, il faut faire titer l'enfant. On sait que. Oui, oui, <laughs> allez-y. <laughs> Voilà, moi je vais surtout parler également de là. Vous avez introduit un peu sur la croissance des nouveaux-nés issus de mariage d'enfants. Mm-hmm. C'est démontrer que les bébés qui naissent avec un retard de croissance, 10% n'atteignent pas une croissance normale jusqu'à l'âge de 10 ans. Et qui dit un bébé n'a pas atteint une croissance normale, surtout le développement cérébral. Mhm. Le cerveau est très important. C'est des enfants qui ne vont pas être intelligents. Donc, une femme jeune, elle-même enfant, qui accouche d'un bébé avec retard de croissance, imaginez ce qui peut arriver ce que pour ce bébé. Par rapport à l'allaitement maternel, effectivement, une femme qui accouche, elle peut avoir du lait. C'est que des fois, c'est même vous voyez, c'est une poitrine plate. Moi, j'ai assisté à un mariage. C'est mon beau cousin qui s'est marié. On lui a amené une fille du village. Mais quand je suis partie voir la jeune mariée, j'étais scandalisée. Sa poitrine était plate. Et on me dit que c'est Mawekina Kongorom, c'est là, là. Mm. J'ai dit, mais <laughs> c'est pas possible. Mm. mais cette femme, elle a accouché un an après. Le bébé est décédé. On a perdu ce bébé. Elle n'avait même pas. Les seins commencent juste à avoir des bourgeons. Elle avait quel âge Je ne sais pas, mais quand même, la poitrine était trop plate. Parce que vous savez, au village, l'âge est imprécis. Eux-mêmes disent non, elle est grande. Mais moi, j'ai vu la petite là, sa poitrine était plate et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Vous ne l'avez pas sensibilisée Je l'ai sensibilisée, j'allais même, elle venait chez moi, on a essayé de commencer une contraception parce qu'elle avait même ses règles. Le mari était contre. Comme elle n'écoutait que son mari, également la communauté. Et puis on a fait venir une vieille, une femme dans sa maison, là où elle habite, dans son, foyer, conjugal, pour qu'elle lui, lui montre même à préparer, à faire la cuisine. Ah, ah oui, c'est vraiment une petite. Finalement, un an après, elle est tombée enceinte, mais on a perdu le bébé. Mais elle, elle, n'a pas eu de séquelles. Non, elle n'a pas eu de séquelles. Bon, après, c'est vrai qu'elle s'est développée. Maintenant, ils sont retournés au village. Je n'ai pas ces nouvelles, vous voyez. Mm. Donc, ce bébé-là, même s'il est né vivant, comment elle va l'allaiter Ça va être compliqué. Hein? Mais oui. C'est ce que docteur Zara vient de dire aussi. Parce qu'on on remarque aussi dans les. Euh, par exemple, dans les crénies, dans les centres de récupération des enfants, il y a beaucoup d'enfants dont les mères sont des adolescentes qui tombent malnutris et qui reviennent, qui sont hospitalisés au crédit parce que les mères déjà sont assez jeunes, mais aussi par rapport aux problèmes d'allaitement. Par exemple, les problèmes liés au sein, par exemple, les, engorgements, les mastites et autres. Là. Les adolescentes sont plus à même de développer ces types de, de pathologies qui les empêchent parfois, qui rendent difficile l'allaitement maternel que les femmes qui sont beaucoup plus mûres. Mm. On sait que la toute jeune mère manque euh, souvent de connaissances et de la maturité lui permettant de prendre soin de son bébé. Je m'adresse à vous, euh, Madame euh, Fadima. Comment l'entourage peut accompagner la toute jeune mère, notamment à prendre soin de son nouveau-né En général, on sait que la communauté nigérienne, une mère est toujours accompagnée par euh, une femme expérimentée. Mm-hmm. Mais là aussi, ce qu'on pose euh, point d'interrogation, c'est savoir euh, cette jeune femme, mère, est-ce qu'au niveau où elle se trouve, il y a des femmes aussi qui savent comment entretenir un bébé. C'est ça le problème. Si c'est en ville, mhm. ça se passe très bien, mais euh, dans la zone rurale, c'est pas facile. Et comment pouvez-vous sensibiliser les parents pour que les risques auxquels sont exposées les jeunes filles mariées très tôt, comment est-ce que vous arrivez à les sensibiliser ou qu'est-ce que vous préconisez qu'on fasse pour les parents Je préconise en tout cas qu'on sensibilise ces populations à éviter les mariages précoces. C'est la seule solution. Et là pour éviter les mariages que Ça intéresse tout le monde, toute la communauté, les leaders d'opinion, hein, les chefs religieux, les agents de santé. Mobilisons-nous envers ces populations pour combattre ce fléau. Comment conseiller les parents ou bien les jeunes filles euh, qui sont dans ces conditions-là Le seul conseil ou bien le mot que je peux dire, c'est qu'en termes de nutrition, ce qui est très important, c'est la prévention. Nous devons prévenir tout ce qui peut arriver, que ce soit à l'adolescente, à l'enfant. On sait qu'au Niger, en termes de nutrition de l'enfant, on n'a pas assez de programmes de, de, prévention pour les adolescentes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. D'accord. Docteur Zara, avez-vous quelque chose à ajouter avant qu'on ne close euh, le Bon, moi, je pense que pour éviter les mariages précoces, c'est-à-dire le mariage de l'enfant, il faut scolariser la jeune fille. Une fois qu'elle va à l'école, elle étudie bien, elle avance dans la scolarité. Les parents même vont voir que ce n'est pas la peine, puisqu'elle apporte de bons résultats, à apprend le français. Il faut vraiment, c'est la scolarisation. Mais imaginez une jeune fille qui est à la maison, elle ne va pas à l'école. Elle devient une charge même. Et c'est ça qui les pousse à, à les marier. Donc moi, je pense que l'accent doit être mis sur la scolarité de la jeune fille. Voilà. En plus des conséquences sur la santé physique, euh, des problèmes psychologiques aussi sont à redouter sur euh, la jeune fille. À ce propos, je vous propose de suivre euh, Dr Halidou Moussa, il est psychologue. Est-ce que le mariage, notamment quand il n'est pas consenti par la fille, peut avoir des conséquences sur la santé mentale, si oui, lesquelles Dans un premier temps, les effets du mariage précoce sur les filles, dans une moindre mesure, sont multiples, c'est-à-dire des perspectives de droit, et des questions majeures sur le déni de l'enfance, sur euh, l'adolescence, la réduction aussi de la liberté individuelle et le manque de possibilité de développer une personnalité autonome. À cela s'ajoute, c'est-à-dire le bien-être psychologique de la fille en question, beaucoup plus chronologique et aussi émotionnel, et de la santé euh, génétique et de la chance de l'éducation. Alors, je dis qu'il y a des répercussions sur le bien-être, parce qu'il faut voir un peu l'environnement de la jeune fille elle-même qui est victime de ce mariage précoce, mais la famille en subit aussi et la société en général. C'est dans ce ordre d'idée que je dirais que les conséquences psychologiques sont très intenses et perturbent beaucoup le développement normal d'une adolescente ou d'une petite fille, quand même en plein développement physique, physiologique, est-ce que des traumatismes psychologiques sont aussi à craindre en cas de mariage forcé comme des grossesses euh, précoces Bon, les grossesses précoces, bien sûr. Parce que euh, dès qu'il y a eu la maturité, c'est-à-dire de certains organes du point de vue physiologique, pour que la fille puisse concevoir, elle peut concevoir, mais d'une manière très prématurée. Pourquoi Parce que les organes n'ont pas atteint leur maturité proprement dite. Généralement, c'est ce qui nous conduit à parler un peu de la fistule la fille est délaissée par son mari, elle est délaissée par ses parents et elle est délaissée par sa propre communauté, elle est laissée à elle seule. Donc ça veut dire que si elle n'a pas pu avoir une bonne prise en charge sanitaire et chirurgicale, c'est qu'elle va choir, elle se sent délaissée, elle ne peut même pas exercer aucune activité génératrice de revenus et à plus forte raison subvenir à ses propres besoins. Au niveau des traumatismes, ces traumatismes étaient considérés comme étant une partie inévitable de l'existence de la fille en question. Il arrive que la fille peut se réfugier, par exemple, chez ses parents. Parce que si elle refuse le mariage et que les parents ont consenti, elle est battue. Et si elle est battue, c'est qu'il y a une détresse à ce niveau. Ce qui fait qu'elle peut fuguer. Et généralement, les filles qui ont fugué vont aller dans des régions où elles ne connaissent personne. Elles n'ont aucune qualification parce qu'elles ne sont pas éduquées. Et on assiste à quoi Généralement, ça donne à la prostitution. Donc ça, c'est un des dangers. Et l'autre danger est psychologique, grave même, c'est un peu des préjudices physiologiques, comme je le disais, émotionnels et de grossesses répétées. Si les grossesses sont répétées, c'est qu'elle ne peut même pas se sentir à l'aise avec sa propre progéniture. Je me rappelle très bien, une fois, on a eu euh, un cas qu'on a traité avec euh, des traumatismes psychologiques très graves, ce qu'on appelle la psychose puerpérale. La psychose puerpérale, c'est que cette fille-là, n'aimant pas le mari, n'a pas aimé le mariage comme il a été forcé, qu'est-ce qu'elle a fait Quand elle a mis l'enfant au monde, elle l'a jeté dans le puits. Son deuxième enfant, elle était prête à aller lui donner la mort et elle-même se donner la mort. En général, la jeune fille mère peut-elle se remettre du traumatisme subi Comment doit se comporter son entourage vis-à-vis d'elle pour qu'elle ne sombre pas Alors, pour qu'elle ne puisse pas sombrer, c'est ce que j'ai tenté d'amorcer tout à l'heure. Elle a besoin d'une prise en psychologique, c'est-à-dire bon, le psychologue l'écouter, élaborer un diagnostic. Si ça nécessite, c'est-à-dire un entretien clinique continu, pour qu'elle puisse comprendre sa problématique elle-même, se remettre elle-même, c'est-à-dire euh, de sa détresse psychologique, ou carrément aussi l'accompagnement d'un psychiatre au besoin. Et que faites-vous pour que les parents et les jeunes filles elles-mêmes qui s'empressent de se marier soient conscients du danger du mariage des enfants Alors, le danger du mariage des enfants, je pense que il faut une grande campagne de sensibilisation sur des thématiques bien précises. C'est-à-dire, il faut sortir toutes les conséquences du mariage précoce des filles. C'est le contenu de ces thématiques-là qui doivent être diffusées, tant au niveau des familles, tant au niveau de la communauté, tant au niveau de la société en général. Pour que tout le monde intériorise ces messages-là, pour se dire qu'à un moment donné, si moi je donne ma fille un mariage d'une <laughs> manière précoce, mhm. c'est que voilà à quoi je vais m'attendre. On est d'accord. Mais on ne sensibilise pas pour sensibiliser. C'est-à-dire, il faut que la famille, la communauté, la société en général touche du doigt le feu. Racontez-nous des cas de jeunes filles que vous avez rencontrées. On en découvre tous les jours. J'ai une expérience, par exemple, de la prise en charge des réfugiés avec euh, une caractéristique ethnique bien déterminée que je ne vais pas quand même euh, <laughs> étaler ici, mais c'est des mm. cas que j'ai vécu. Par exemple, il y, a des communautés qui marient leurs filles d'une manière précoce. Pourquoi parce qu'ils n'aiment pas que la fille soit enceinte hors mariage. Donc, pour une question de crédibilité sociale, d'honneur, de dignité. ils donnent leur fille en mariage d'une manière précoce. Mais les conséquences sont là. Chaque jour, euh, on en découvre, on prend en charge et on essaie quand même de stabiliser la fille, euh, de l'amener à prendre conscience de son problème, et de son cas, pour qu'elle puisse comprendre qu'en réalité, elle n'est pas fautive, euh, elle n'est pas responsable de ça. On a vu des cas que la fille passe par exemple toute la journée en train de se laver. Vous savez pourquoi Elle se sent souillée. Elle se sent souillée parce qu'elle n'aime pas le mari. Elle se sent agressée, violentée. Donc euh, c'est une atteinte psychologique réelle euh, à laquelle nous assistons. C'était l'intervention du docteur euh, Halidou Moussa, qui est psychologue, sur la conséquence euh, sur la santé psychologique de la jeune fille en cas de mariage précoce. Donc, euh, on est au terme de ce forum. Ce qu'on peut retenir de ces échanges, plusieurs conséquences sur la santé de la jeune fille et de celle de son enfant à naître peuvent survenir en cas de mariage, notamment la malnutrition, les décès pour les deux, et de la fistule obstétricale pour la jeune mère. Pour que tous soient conscients des conséquences du mariage des enfants sur la santé physique et mentale des jeunes filles, nos invités préconisent la sensibilisation des parents et de toute la communauté. Nous étions avec... Euh, Madame euh, Halidou Fadima, qui est sage-femme à la retraite, euh, qui fait partie de l'association des sages-femmes du Niger, euh, docteur Aïssa Soumana, qui est nutritionniste au Fonds mondial des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et docteur Diallo Zara, qui est spécialiste en santé néonatale à la maternité Isaka Gazobi. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain à 18h15 pour une autre thématique du forum du studio Kalango.